produit wam ci waxtu commissaire de police à la retraite alors vous né commissaire de police à la retraite dañuy li nga institution bu mag bobu nek ci sécurité suñu police nationale déjà eh, nga wax importance bi tenue policier importance bi police am ci deuk ndax gis nañ né euh, Sénégal ak euh, police am dañoo xawoon am touti réro diko dalé peut-être 2021 ba 2023 bi ñu jógee. waaw euh, comme ni ko ñëpp xamee. Mhm. police dafa am solo ci biir deuk té vraiment deuk bo xamné sans police mom euh ñaanuñ ko yàlla am ko. Mm. mosoon na am na Sénégal en 87 mhm. vraiment bi ñuy rajo policier yëpp. Mm. toog nañu amuñu police gendarme yi ñoo ñëwoon def yenn liggéey la. Mhm. même ça, bi ñuy remplacer policier am na liggéey yoo c'était spécifique à la police donc on a dû rappeler les gens. pour que ñu ñëw def liggéey boobu. mais actuellement euh, sunu police bi euh, mu ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu rafet la. Mhm. waaw ñu ngi def seen kéemtulaay kattan euh, pour def aar nit ñi si seen jëmm aar nit ñi si seen moomeel et cetera. Mhm. il est bien vrai que ni nga ko rappelé léegi am na un moment donné vraiment <clears throat> police ak population bi réero bu mag amoon na ci. Mhm. pourquoi ma doon wax ni effectivement la priorité des nouvelles autorités c'est xam de faire en sorte que mu am une réconciliation entre la police nationale et les populations. Mhm. je crois que l'autorité UBSI bees yi euh, ñu ngi si tànk boobu. Mhm. ministre de l'Intérieur, Jean Baptiste. et am na côté boo aussi am na structure. Pour police n'est-ce pas de proximité. nga xam ne mooy ASP ñu ngi koy jàppale ci liggéey pour que population bi ak vraiment policier, yi ñu seet effectivement ñu dit di jubale quoi. Mm. actuellement ñu ngi liggéey liggéey boo xam ne mu ngi rafet ñu ngi jël ay initiative yoo xam vraiment je crois que buñ ko sottalee dina baax daal. dina baax incha <coughs> mais am na loo qui léegi ci bi ngay door mu di événement yi en 1987 su ma jumul avril la. Euh, bi nga xamante ne radié nañ ñu bari ci ñi nekkoon police mën nga ñëwaat ak ñun ci événement boobu ak euh, lan moo ko sabab nan la ko police dundee. bon xanaa dam koy <laughs> dam koy gàttal rek. Uh-huh. événement boobu yàlla dafa def vraiment ma nekk ci euh, njëlbeen ba te ma nekk aussi nit ñi olof yi di wax si càppandaw la. Mm. c'est-à-dire que ki nga xam ne moo indi événement bi. man maa ko njëkk a recevoir sama bureau en tant que chef de la police judiciaire de la sûreté urbaine mm. nest donc ben le boo xam ne du ma tudd pour respect euh, pour sa mémoire et pour la dignité de sa famille. Mhm. n'est-ce pas donc ñu ñoo japp ko. bon biñ koy japp nak bon man m'a doon assurer intérim chef de service bi quoi. Mhm. donc buñ ko indi effectivement ma gis ni que mu ngi doon sox ma interpellé que ci loolu ci li tax mu doon soox mu ne dafa am fetu saalum. ma jël enquête bi jox ko ben officier de police bo xam mom moko traiter mhm. bon évidemment y a eu des péripéties ba jël ko ba ñu déféré ko au niveau du parquet bi mu demee au niveau du parc effectivement euh, euh, ñu gis ni que dafa def deux ou trois jours rek après fa gaañu daal. Mm. Euh, génn àdduna. Mm-hmm. bon moo am benn médecin boo xam ne dafa def ni mort naturelle la daal. Mm-hmm. mais waa famille bi bañ ne non ñoom d' accord ñu si mort naturelle nañ def contre expertise bon moo am benn médecin boo xam ne moo ko def je crois qu' à l' époque il s' appelait Isidore. Mm-hmm. mais moom nee na def ci gis ay traumatisme donc les téléphones la famille bi yóbbu yëfi poli euh, tribunal euh, ñu parce que c'est en 83. Mhm. mais c'est en 87 la def atté bi quoi ñu condamné policier deux ans nest ce pas ferme ñu wara fay 6 millions euh, de dommages intérêts quoi. Mhm. policiers policier loolu la ñu doon contesté léegi ñu ne ci lañu commencer commencé def mouvement bi quoi. mouvement bi nak mo jur radiation bi ak ci top yëpp mhm. depuis lors nak man maa dirigé euh, mouvement policier radio bi ñu leen police quoi donc pendant 6 ans 7 ans. effectivement maa jiite woon mouvement bi maa doon wax ak gouvernement bi yu bëri daal man maa ko doon négocier ak gouvernement bi daal. Mm, am na solo mm. donc euh, un petit rappel de l'histoire waaye mm. du tee dinañ ñëwaat euh, ci li nga xamante ne mooy fee yi gën a gis nañ la sa taxawaay diggante 2019 ba 2024. ci li nga xamante ne moo di sa ay analyse say critique ak ni nga doon taxawoo askan wi. ci euh, li nga xamante ne jafe-jafe yi ñu doon dund. mën nga ñëwaat ak ñun tuuti rek ci période boobu noo ko dundee a convocation yi ci topp ak yeneen jafe-jafe yi nga xamante ne yow mii dund nga ko ci. ko ko moom c'est un engagement boo xam ne disons que dafa mengo sama tempérament daal mhm. dama musu nangou injustice lolu kon depuis événement yooyu 86 mhm. laa commencé euh, di def yenn yenn activités yi quoi d'ailleurs c'est l'occasion pour dire que vraiment ci la xamanté ak ko xamné ne maa ngi koy félicité si nomination bu bees bi muy euh, Mamadou Omar Ndiaye mhm. waaye journal c'est lui qui m'a accordé la première interview n'est-ce pas Il ma donné mhm. le euh, effectivement vraiment ma première interview mhm. donc nga mm. donc conviction mhm. parce qu'actuellement, actuellement

du membre passif mm. mais ñu bëri bu ñu ma gisee rek dañ may félicitation Pastef merci Pastef mm-hmm. ba am na ñoo xam ne yaakaar nañu xëy na man ak président Diomaye ak Ousmane Kamba ak Ousmane Sonko nii lañ mel quoi mm-hmm. comme on est à tu et à toi yàlla xam ne ni xaw ma leen yàlla xam ne ni musuma wax ak ñoom le principe waaw le principe yàlla xam ne ni tey jii je me demande est-ce qu'ils me connaissent mm est-ce que xam nañu sax li may liggéey si biir dëkk beeg sax mais li ma def du pour sa jëm mhm. dama ko def pour askan bi la mhm. voilà moo tax xaaruma ci dara mhm. contrairement à certains qui s'agitent n'est-ce pas te mu wóor ma ni li ma def le dixième même de de li ma def defuñu ko n'est-ce pas donc mais je l'ai fait par principe xam nga man satisfaction laa am mooy bu ma génne si mbedd bi ñi ñi di tas ak man au champ et comme c'est félicitation gis nañ li ngay def

2020 euh, hein, mm -hmm. bon waa jig daal ñoo ñoo ko sama kër benn dimanche bon ne bon commissaire bon y a le patron de la DIC nee il daal la convocation ma ne d'accord, d' accord convocation. Mhm. mais il bi libère la convocation mon patron bi nee pour nous en ak mon donc euh, la convocation a plus sa raison d'être. être. <laughs> nañu ànd léegi ci la ci laa leen bàyyi leen ma ma yëg ci kaw ma summeeku sol et cetera mais c'était devant ma famille hein, mes mon épouse mes enfants etc ci la ànd ak ñoom léegi bi ma ñëw dégg aussi wax dëgg yàlla ils m'ont donné tous les honneurs et tous les respects mhm. parce que seen ce qu'il woon quoi am na ñoo xam ne maa leen commandé woon quoi mhm. après bi ma ñëw toog xool est-ce que officier de police bi ma gis benn kayit ci la ko ne ah bon certainement à cause de ce papier là que vous m'avez convoqué mu ne ma effectivement bon après ñu boole ma koo xam ne moo ma entendre mhm. papier bi lan la woon non c'est-à-dire que benn article bu ma defoon la article boo xam ne vraiment ñoom ils ont estimé que dafa dëgëral quoi voilà, parce que je conteste. Je crois que je suis un des plus virulents opposants de Macky Sall. Le fameux texte, le fameux, le fameux <laughs> voilà, commenter quoi. Parce que j'ai beaucoup aimé ce commentaire parce qu'il y avait des subtilités lexicales et sémantiques il fallait que mon kummel yow il ko éclairer ko bon nous entendre madame, bon vraiment ça s'est très bien passé. Mm. bon mais euh, man ma doon xalaat lii lu waral mais ma entendre je mu jeex. Je soupçonnais qu'il y avait une autorité derrière. Quelles étaient les charges Oui, nous avons offense au chef de l'État. nous avons euh, diffusion de fausses nouvelles. Après, nous avons euh, manœuvre et actes de nature à déstabiliser les institutions du pays. Ah. ci l'on a gagné, ça ma gagné, ça m'a gagné. gaañu yéen kay da ngeen ma ubbil buntu rëbës parce que ben rek buñ la ko si jiiñi rek rëbës na waaye il y a une ko après ñu ne ma non comme seet du noonu quoi bu ñu jiñ ko man ko je ne vous reproche absolument rien du tout C'est liggéey ngeen di def. Mhm. quoi je je comprends quoi. Mm. voilà c' important ñu am compréhension ci police bu ñu mm. convoqué it ñu dem xam ne euh, seen liggéey rek la def. gis nañ itam parce que li ma ciy dolli rek. Mhm. mooy bi ñu ma ko c' était un dimanche. Hein. Mhm. c' était pas un jour ouvrable. ñu ne ma léegi bu ñu paree ñoom ñoo ba yóbbuwaat ba sama kër ñu ne ma lundi à 15h nga présenté wu. Mm. À lundi man à booru 14h ah hein, ma préparer préparé sama bagage sama ak yooyu pour parce que pour man bu ma demoon rek procureur damay jàllale directement Rebeuss quoi. Mm-hmm. mais ma toog ba ay 15 heures 14 heures 45 ñu téléphoné ma commissaire bi ne ma bon ce n' est plus <coughs> comment dire ce n' est plus d' actualité. la laa ko tontu ma ko le français mm-hmm. on m'a dit que ce n' est plus d' actualité ça veut pas dire que vous avez suspendu. ça veut dire que waaw ça veut dire que peut être aujourd'hui vous n'avez pas mon temps. Mm-hmm. mais ça peut l' être ça peut effet ça peut l' être. mu ne ma non commissaire ne raisonne pas comme ça ma ne ko non effectivement il faut être prudent après je crois qu'on en a plus parlé. Là. Parce, parce qu'en fait, dans le contenu du texte, quand bien même les termes sont durs, mais de gueule, et il n'y avait rien de à Non, non, absolument, absolument rien de Il y a une lettre pour nous qu'on a Bravo, Mais les gens s'étaient réunis au niveau de la présidence, le services de renseignement. Nous avons ce texte. Euh, bon, à l'époque, qu'il a donné défendre euh, Khalifa Sall. Bon, mais bien discuté, euh, de me déflorer le mais il y avait un officier de la gendarmerie bu Kotibir, mais mon écoutez le texte effectivement il est dur à avaler mais il n'y a absolument rien qui puisse permettre vraiment de de poursuivre ce commissaire là effectivement. c'est ma nature bon peut-être que j'ai une plume un peu acerbe. Mhm. mais vraiment ça ne fait que dur vraiment euh, disons, mon caractère entier principe la. voilà principe rek absolument. voilà donc euh, principe la mu am beneen principe boo xamante ne actuellement gis nañ ne yenn saa dafa mel ni dañ koy xaw a day day tàggatémbe daal. benn ñenn ñi ne nañ principe liberté la ñeneen ñi ne nañu li nga xamante ne mooy respect bi ñu war am ci kii di homme de tenue gis nañu le cas de Bougane Gueye ñen ñi ñi ngi défendre sa liberté ñeneen ñi ñi ngi défendre tamit li nga xamantane ne euh, moo di euh, autorité nous tek en place euh, bu wara joxe ay ordre ñu exécuter ko ci am sa avis. parce que quand Bougari il y a sur deux sur deux angles mhm. mais c'est-à-dire qu'il faut que les gens sachent que la liberté d'expression ne signifie pas la licence verbale. Mhm. c'est-à-dire que nga def loolu et ça vraiment moi j'interpelle le procureur de la République. Comment vous pouvez imaginer que notre président de la République nit effectivement effectivement qu'il y a nous kii tout à tudd xusuma des la n'est-ce pas dem bay wax suñu président de la République dans un discours boo xam ça n'a pas fait cinq minutes à cinq ou six reprises d'un côté traité de menteur n'est-ce pas nga dem ba ne yolom génno et écoutez c'est la vérité c'est ce qui se dit etc. Mais quoi que vous ko accepter waruñu ko accepter n'est-ce pas donc gaa ñi dem nañu ba nga xam vraiment je crois que euh, c'est le langage ordurier là la ñu am comme comme euh, comme euh, moyen de défense et mm-hmm. d'expression bon maintenant euh, pour le cas récent là mm-hmm. au niveau de de de Bakel là on, a, on le poursuit, je crois, pour rébellion, mm. pour outrage. Euh, pour refus euh, d'obtempérer. refus d'obtempérer, mm -hmm. pour voir de fait. Mais mon nom, c'est ça pour attroupement. Mm. Parce qu'il a créé un attroupement fort. Bon, attroupement, rapidement, ça peut être un attroupement armé. kenn rek bu ñu ko fatal. mu yor fetal boo xam ne dañ si teg seen bët attroupement aussi mun na un attroupement euh, disons armé fekk ni aussi yéen ñi fa nekk yëpp même donte gisuñu seen i gànnaay mais mais yéen a koy nëbb wala il y ay un yoo ça a servi pour def mbir wala c'est dans l'intention de servir pour def dara maanaam il y ay jaas yi ay mbolde yoo xam ne yéen koy dugg seen etc. et cetera xam nga affaire c'est un peu grave bon refus d'obtempérer c'est quelque part j'ai dit que les gendarmes ont été vraiment un peu disons très conciliants parce que premier barrage bi waru ko woon jàll d'ailleurs ils ont envoyé un gendarme boo xam peut-être que amul expérience un jeune d'ailleurs c'est pourquoi Bougane a eu le culot peut-être de, de, de, de, le critiquer, de crier dessus. Mais bu a eu un cadre, un responsable il est euh, vêtu de ses attributs y aurait pu pistolam temps donc il n'aurait pas dû dépasser le premier barrage là au second barrage il a rencontré les éléments de laissé là-bas mhm. l'escadron de surveillance et d'intervention bon mais aussi il a opposé une résistance parce que la rébellion c'est ça c'est-à-dire que opposer une résistance parce qu'il a voulu forcer le barrage pour mm. la résistance il ñëwee te nee ou bien nga de manière violente ou nga ko de fait voie de fait c'est-à-dire que de un acte disons euh, de violence légère mm-hmm. même bu une lésion corporelle Mm. donc dafa doon buuxante ñoo moo tax ñu topp ko ci loolu aussi mm-hmm. ak outrage bi nga xam ne def n'est-ce pas au agent maintenant il appartiendra au procureur de la mais indépendamment de tout ça mais si nous prenons par exemple l'article 96 euh, mm-hmm. du code pénal par rapport aux manifestations mais il est dit que toutes manifestations il dit sont soumises à l'obligation de déclaration préalable tout mm-hmm. cortège et c'est écrit au pluriel tout cortège tout défilé tout rassemblement de personnes et de manière générale, toute manifestation sur la voie publique. Donc il faut une déclaration euh, préfectorale. Préfectorale. Mmh. Tu adressé au préfet parce que c'est l'autorité qui est chargée de l'ordre public. Est-ce que Bougan, est-ce qu'effectivement, Tagouna préfet n'est qu'au Mangino Bakel ah. parce que d'ailleurs, ngay bu qui da ngay tour. Mhm. joxe ce ñi nga àndal et cetera motif bi tax ngay dugg foofu et cetera n'est-ce pas mais où est ma ni defu ko bu je me je suis sûr qu'il a eu une réponse négative. Mhm. parce que le procureur le préfet compte tenu de la situation parce qu'on dit que la zone là il y a le président de la République mu ngi mhm. quand on parle de zone on parle de l'espace euh, terrestre on parle de l'espace aérien on parle également de l'espace fluvial parce que mu ngi woon ci ci ci booru ñu ne bàyyi ba mu zone mm. parce que ñi ñaa ne waaye jaarul tali d'accord mais mun na c'est un jaww il était avec 13 véhicules c'était xam véhicules euh, euh, vitre teintée mais quels véhicules yi mënoon un engin sol air boo ne même bu romb si hélicoptère mu àjji il y' a tout ça nest ce pas donc comme je dis moi j'ai 500, parce que les gendarmes, ils euh, amuloon 500 francs mais dañ ko doon tiré. Hmm. parce que nous woon quelles sont ses intentions ça pouvait être des intentions criminelles. Hmm. et nous, vraiment côté Bobo, ils n'ont pas ils n'ont pas ils ne cherchent pas à comprendre ils ne cherchent pas à analyser bon, il voit les faits, il constate les faits et vraiment il prend les décisions qui se posent. donc il a échappé bel quand même. y benen, une situation boo xamante ne gis nañ ko ce euh, collègue peut-être commissaire euh, Cherna Keïta moom tamit euh, entre les liens de la détention tu par rapport à engagement politique bon comme je dirais, 2019, 2019, 2024, il y a un commissaire qui ba son commissaire mhm. ça aussi il faut qu'on y. Mhm. c'est dans l'histoire ouais c'était le commissaire du système c'est mon ami et collègue cher moi j'étais le commissaire de l'antisystème et je m'en réjouis parce que finalement j'ai eu gain de cause sur lui n'est-ce pas mais moi comme je dis euh, man vraiment actuellement je profite de l'occasion pour plaider pour sa libération parce que je ne li nga mm. jaru mm. n'est-ce pas et ko parce que un commissaire de police avec sa formation parce que commissaire bu xarale la. Mhm. waaw qui maîtrise très bien les techniques de police etc. cetera. waaw a affaire mënoo ci mais professionnellement c'est quelqu'un qui un vraiment il maîtrise comme police. Mhm. nest ce pas dama mais ak ko pratique mais il n'aurait pas dû à partir de simples rumeurs faire un commentaire quand même. Mhm. foofu la juum et cetera donc mais loolu mu wax noonu jarul ñu koy téye parce que en fait loolu mu déclaré ñëpp teg nañ ci seen déglu déglu ko est qu'on avait. C'est ça que je me demande à quoi sert l'instruction parce que l'instruction, c'est pour approfondir, quelque chose, mhm. mais il y a pas de valeur. Mhm. Donc on aurait pu le traduire en, en, flagrant mhm. Donc vraiment, moi je plaide pour que nous contre. D'autant plus ils ont tenu des propos 10 000 fois plus graves mm. que ça. Mm. Il y a quelqu'un qui a traité la police d'être corrompu, mm. d'avoir laissé des gens sur Hamlet qui, ont, qui, les ont surloyés, nous, finalement, après, ils sont retrouvés morts dans une pirogue. Mais à la limite, c'est traiter les policiers de complicité de crime. Mm. Et ces gens-là, on les laisse comme ça. Et là aussi, j'attire l'attention du procureur de la République. Vraiment, nous appelons police. Les policiers, vraiment, je commence par le directeur général. Il faut passer laisser faire aussi. Mm. On ne peut pas vous accuser de crime, des crimes. une au on a accusé la police documents mon format fabriqué preuves etc. mais vraiment je crois que ça suffit c'est important Je euh, mbir très brièvement rek la euh, sécurité bi nga avez soxla temps d'élection Et euh, de de tout hein. ne il y a le pouvoir et il y l'opposition si j'ai une recommandation à faire au camp du pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il tombe dans les pièces de la provocation. Parce que c'est l'arme du faible, c'est qu'ils n'ont plus d'arguments. Donc ils sont obligés maintenant, pour faire sortir ces gens-là de leur gang. Alors, ils vont commettre des erreurs de communication, des erreurs de comportement. Ça peut leur porter préjudice. Mm. Non, ils ont là, ils ont développé tout récemment un programme Sénégal 2050, n'y a qu'à se contenter de ça. Voilà, et puis, bah, vraiment faire la sourde ordre, qui n'y a pas de parce que nous avons un c'est dernier discours. Nous nous demandons à avoir la, majorité à l'Assemblée nationale pour bloquer le pays. Mais ça, ça vous suffit comme terme de campagne. Vous avez un parce qu'à ce moment donné, je crois que le ministre de l'Intérieur va mm. prendre toutes ses responsabilités. Parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent, n'est-ce pas, euh, dans, oh, au dans niveau des populations. Mm-hmm. Et armes qui ont été Tal ay siège comme on a vu euh, Khalifa Sall mm-hmm. ah, pas. absolument absolument il y a et puis il y a un référence c'est le discours du président de la République mm-hmm. vraiment il a appelé tout le monde au calme ah. Ah. et ces gens là qui doivent se conformer à ce discours là vraiment ce sont ses partisans ça c'est ça c'est exactement ça waaye mënuñu jeexal ak musique bi ngay dégg te amul lum lay waaw ah bon ça c'est le bon vieux temps. on était on était plus jeune vraiment. on arrive à conserver justement ce son-là et la qualité du son. vraiment aussi vraiment c'est c'est c'est très important. sinon correct je vais terminer en disant que. Uh-huh. bi nga évoqué affaire 87 yi. Mm-hmm. je suis en train de préparer un documentaire. avec ah. un Sénégalais qui est en Suisse. Mm-hmm. d'ailleurs je crois que nous aurons besoin de la contribution. Mhm. dans la RCS. pour archiver vraiment ñu mën ko def documentaire et je crois que ça va servir pour la postérité. c'est important c'est vraiment important.